Euh, mbokku téléspectateurs yi Sam TV gaynde de l'actualité ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sant rawatina waa diaspora yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tour ak sa sant tey jii yéen a ngi waat seen émission bu ñuy naan Sam entrepreneuriat ci Sam TV gaynde de l'actualité tey nag ñu am mbette ak contenté dalal fi benn jeune boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci mim réew moom nag euh, moo nekk fondateur euh, ci fondation bu ñuy naan. Euh, Vision Afrique mu nekk euh, cofondateur d'abord intercom euh, interi et communi et de communication mu moom mi ngi tudd mi ngi wuyoo si tur ñu koy naan Amadou sec. monsieur Seck nuyu naa la. merci beaucoup soxna Fatou maanaam ngi lay fay bu baax a baax di nuyu aussi sa mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi lay suivre un peu partout à travers le monde di remercier aussi équipe technique et équipe administrative bu SAM TV yëpp parce que initiative bu baax la yu mel ni soxla nañ ko ci Sénégal quand on parle de taux de chômage bi nu mu yéegee ci Sénégal bu ñu gisee ay jeunes yo xamante ñu ngi def liggéey bu am solo bu melni mérité nañ ay félicitations et encouragement et je pense que les autorités aussi dinañu accompagner genre initiative yu melni merci beaucoup aussi si invitation bi. ah merci le plaisir est partagé euh, monsieur Seck tay jii bu ñu bu ñu xoolee ni yow ban entreprise nga fi taxawal tay jii en tant qu'invité ba entreprise bi. Bon, l'entreprise, def une présentation c'est Vision d'Afrique, euh, Vision d'Afrique, pourquoi le nom d'abord Vision d'Afrique pour que tout jeunes sénégalais africains d'une manière générale puisse retrouver où ci structure Vision d'Afrique. Mais Vision d'Afrique, c'est la maison mère, mais il y a plusieurs filières à l'intérieur de Vision d'Afrique. Nous y Intercom communication, aussi Vision d'Afrique orientation, amna sen marseille.com d'une plateforme l'objectif c'est de devenir l'Amazon de l'Afrique et etc. Nous avons aussi une plateforme d'investissement. pour maintenir actuellement il y a des milliers de Sénégalais qui ont ñu pour permettre les jeunes d'atteindre la sécurité ou bien la liberté financière C'est notre suñu credo suñu objectif si loolu la a donc filières à l'intérieur de Vision d'Afrique, mais maison mère bi une Vision d'Afrique. Yo, est ce que ban ban année nga taxawal Vision d'Afrique. est Vision d'Afrique, nous avons créé le 3 mars 2016 après avoir travaillé sur pas mal d'entreprises. De euh, yoo xamante jaar comme jaar nañ ci entreprise nous yëpp ñu moment il est temps parce que comme nous en entrepreneuriat donc nous sommes tous des prophètes voilà quand je dis prophète certaines personnes diront que voilà c'est extraordinaire ou voilà euh, mais bon suñu la mission yi ñoo le benn quand vous quand je dis que vous êtes prophète le prophète Mahomet ou bien Moïse connaît que dafa mission peut-être qu'il dafa ñëw pour une ñu Coran ñëw pour indil Bible mais vous vous êtes là pour apporter quoi donc donc je dois apporter quelque chose peut-être que euh, apporter une vision d'Afrique peut-être que li ngay apporter mon présenter vision d'Afrique de me présenter une autre euh, structure donc vous connaît une mission à accomplir dans la vie donc vous ñu pousser créer vision d'Afrique pour permettre aussi jeunes yu bénéficier parce qu'actuellement, il y a plus de 25 personnes qui travaillent en temps plein c'est-à-dire que tous les jours sans compter des centaines de personnes qui travaillent indirectement c'est parce que le plateforme de saint Marseille.com actuellement regroupe plus de 298 fournisseurs La plateforme mu de permettre de produits mais à travers commerce de ñuy def plateforme permettre gagner donc l'objectif c'est de lutter contre le chômage des jeunes. ok euh, inspiration inspiration inspiration vision. Afrique inspiration c'est très simple hein. comme nous le euh, nous sommes tous des prophètes des missionnaires donc euh, le moo ma euh, prophète yonent bi bi mi découvrir mission am xaarul yàlla ñëw jox ko mission am dafa quitter Makka pour dem medine pour jël mission donc euh, Dieu n'est pas un père Noël bo xam te day descendre fu nek nan la li moy sa mission il y a un moment donné ku nek mo war xamné mom il amna mission bu mu wara accomplir et loolu non da lay pousser si que nga jox am lo meuna def donc luñu pousser, pousser lolu kase la liggéey nañu fenn ñu xamné ne bon en même temps aussi j'aime bien parler de l'argent so xolé ma formation yep euh, on parle de comment gagner de l'argent comment atteindre et bokkon na ci mané suñu une entreprise éternellement on pourra jamais atteindre cette liberté et créer quelque chose beaucoup nous pousser pour nous créer vision d'Afrique. damay gis ay jeunes yo xamantene yene say dañuy naan euh, ñom dañuy am financement mais est-ce que mën naa la est-ce que financement kese nan mën na tax nit mu taxawal entreprise am financement kese ndax sans idée yow nga ñu jox la financement rek nga taxawal sa est ce que am na possibilité bi est ce possibilité boobu dina fa am est dina rentable tamit li ngay def bon financement c'est bien parce que lépp looy def sans financement mun na am problème mais ce n'est pas l'élément fondamental. Non, moi, je n'ai jamais reçu un financement de quiconque parce que j'ai démarré mes activités moi-même. Je me suis autofinancié c'est-à-dire que bi may démarrer sumay activité j'avais écrit un projet aussi pour me déposer au niveau de l'ANPES, mais à mon suite de gauche à droite et ma ça c'est une perte de temps et comme ni tout à l'heure le temps c'est tellement important et il fallait que man ma démarrer samay activité sans faire un financement parce que le plus important en entrepreneuriat ce n'est pas le financement mais c'est la motivation l'objectif et la vision si vous avez une vision vous avez la motivation la détermination et une fois commencé, parce que je dis souvent que pour réussir, ce qu'il vous faut, ce n'est pas l'argent, mais c'est deux courage, Courage de commencer et le courage de ne pas abandonner.

encore di leen wax nag ba tey ñu ngi ak suñu invité monsieur amadou seck monsieur amadou seck yow est ce tey gii mun nañ nga wax ñu est ce que yow am nga ay partenaire yoo xamante ne bien vrai que neew nga sa biir wax tabi pas de financement tout ça mais est ce que léegi depuis nga def say preuve parce que am na ñoo xamante duñ dugal seen xaalis fu nekk dañuy xaar jusqu' nga def say preuve ñu doog def seen xaalis léegi yow est ce que mun nga ñu wax ndax yow am nga ay partenaire wala quand je parle de partenaire ça dépend si connect cette cette définition je préfère dire que des collaborateurs c'est des ay collaboration c'est-à-dire que tu apportes quelque chose j'apporte pour que chacun se retrouve dans ce qu'on fait c'est-à-dire que bu indi peut-être expertise peut-être business yow nga indi peut-être financement peut-être indi ñoo xamanteni ni nañu jënd lu ñuy def bien sûr parce que récemment j'avais des partenaires yo xamanteni ñi joggé nañ Canada Sénégal pour ñu organiser une grande séminaire à Luc, la grande euh, amphithéâtrale de Lucas 2 organiser nañ organisé un événement bu mag et à mon sens collaborer aussi avec une structure française pour nous permettre euh, Africa Tour def nañu Togo def Bénin def Côte d'Ivoire def le Sénégal donc nous avons une tournée internationale vision d'Afrique moko ko initié ak ben structure lolu boudé lolu moy partenaire wa bien sûr am nañu partenaire mais bu nekkee partenaire bo xamante da ngay ñëw indi ay millions comme niko gaay non, di déggé non amuñu ko Nous liggéey ak ADPM, dañuy liggéey ak FONGIP ce n'est pas pour faire la publicité mais c'est juste pour wax la ay partenaires parce que dañuy liggéey ak ñom si yenen aspect on fait des formations souvent que ADPMA day bëgg et envoyer des formateurs dañuy nous accompagner ñu techniquement ou bien sans dépend donc y a plusieurs formes de collaboration qui sont am actuellement mais dès le début xaaruñ koon si kenn on démarrer son business soit si xaaree loolu le ci génn ci yeewa da ngay dem Sénégal la ñu nekk gars il faut ñu gis que sans ou avec nous, dina marché nous door dans daw et d'ici quelques temps Sam TV il y aura beaucoup de partenaires qui vont <laughs> inchallah c'est notre souhait à tout le monde c'est notre souhait les partenaires nous. ñëw L'émission émission c'est pour les entrepreneurs Nous, nous di woo foofu ngeen comme d'habitude Nous, <laughs> euh, monsieur monsieur Seck comme nous ko tu fais des formations da ngay def ay formation léegi est-ce que mën nañ ne lakki sa formation yoy ni ñuy démé ndax gaay yi dañuy ñëw fay formation bi wala da ngay def formation gratuitement ou bien formation bi dal nu muy demee daal bon souvent y a gratuites, formation gratuite comme récemment le 14 bi passé novembre à mon une formation bu un restaurant bu une fille qui place de mon bañ a tourbi voilà donc à mon plus de 200 personnes formation c'est gratuit de 10 h à 18 h on parle de business de l'entrepreneuriat mise en relation etc. mais souvent la formation yoo payant donc c'est payant donc euh, su nekkee qui ki paraît pour remplir moi je dis souvent que si vous n'avez pas eu la chance de gagner beaucoup de l'argent parce que vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Si vous avez beaucoup de connaissances, je dis souvent, remplissez vos et laissez les têtes remplir vos postes. Et malheureusement, les Africains francophones font le contraire, c'est-à-dire qu'ils essayent de remplir les postes. C'est pour cela qu'ils courent matin, midi, soir. Mais l'argent est beaucoup plus rapide. Donc, faire de telle sorte que l'argent court derrière vous. Donc, c'est des formations en leadership, c'est des formations en entrepreneuriat, c'est des formations sur la digitalisation, comment gagner sa vie sur Internet parce que quelqu'un qui a une Android, je dis souvent que beau, il y aurait un téléphone Android et ce téléphone ne peut pas vous apporter minimum 50 ou 100 000 par mois, tu n'as pas besoin de ce téléphone. Tu peux, citer ce téléphone, jënd mini téléphone pour appeler. Parce qu'au 21e siècle, l'ère du numérique, suñu smartphone c'est des entreprises. Donc outils tu si ce n'est pas pour rien le fondateur ou le créateur inclure le Donc, une fois que tu as un téléphone, il faut savoir l'utiliser. Et ça, c'est à travers les formations, la lecture. Moi, j'adore les formations et les l'information c'est très important man euh, euh, damay damay damay jot ay écho ay jeunes yu may naan euh, yenn saa entrepreneurs yi dañuy ñëw ñu jox seen formation yi ñu après ils ils s'en vont léegi ñoom yenn saa jeunes yi luñ ils attendent am nañ ay attentes autant pour moi léegi eux ils disent que après formation du am insertion du am suivi je pense que nit boko ko formation au moins warna am même fekente fekkente ne amul insertion mu am suivi au moins mais yéen da ngeen di ñëw yene saa ngeen def formation bi du am suivi légui est yow mën nga ñu wax ndax yow sa formation bi dé am suivi si oui budul am suivi tam nga wax ñu yow euh, ban ban méthode ngay mën utiliser afin des jeunes yo yo xamantene da nga def formation ak ñom bon euh, généraliser souvent. Donc, je connais aussi avec stratégie avec méthode de travail. quand euh, tu fais la une formation avec moi et ça, pareil di insertion ça veut dire que man dans la même formation et yow aussi es Quand tu fais une formation avec moi ce n'est pas ce n'est pas une école académique. Quand vous voulez sortir et aller chercher du travail tu n'as qu'à aller à l'école aller à l'université trouver un diplôme si vous cette logique. Nous ne sommes pas dans ce cadre. Quand tu fais une formation avec nous, une fois terminée, deux jours, cinq jours, un mois, tu automatiquement tu sors d'un am c'est ça l'objectif quand tu fais une formation avec moi et que tu après tu n'as pas besoin de venir emploi nous sommes des entrepreneurs nous sommes des praticiens pas des théoriciens pas venir voilà blablabla si vous voulez ça je ne dirais pas que c'est ça qui se passe dans les écoles mais si les Africains francophones ils sont en retard c'est une partie à cause de ça si vous avez eu la chance d'aller dans les anglo-saxons, j'ai eu la chance de voyager ces dernières années. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, tous les étudiants viennent à l'école, à l'université avec 4x4. Quand vous demandez, what is your secret? Vous répondez, my friend, my country, one legs in school, another legs in business. And you, your country, you have two legs in school and two legs in home. si, si tu comprends ça, tu dis que nous, notre blocage en Afrique, ce n'est pas parce que Afrique l'Afrique francophone est pauvre. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Mais ce n'est pas bien exploité, bien expliqué. Donc, tu fais une formation avec moi sur comment gagner sa vie sur Internet, formation d'une semaine. Une fois par, soit pareil, avec ton smartphone, tu peux commencer à gagner de l'argent. Moi, ça, l'Ola est garantie Faire une formation, comment gagner sa vie sur Internet. Sa téléphone, soit pareil, moi, je fais du trading. Celui qui est en face de vous, moi, je n'ai jamais allé à l'école. Si je fais du trading aujourd'hui, je n'ai jamais allé à l'école et je fais du trading. Je fais la formation. Moi, je paye des formations à 600 000. je payé 650 000 pour apprendre le trading. Aujourd'hui, je peux rester chez moi. Entre minuit, 4 heures du matin, je peux trader sur le marché de Tokyo, spéculer 1%, 2% pour gagner ma vie. même si j'arrête de travailler aujourd'hui, mon téléphone, si on n'arrête pas l'Internet, moi, je ne me plains pas donc ça tout le monde peut le faire donc euh, pour résumer une formation d'où pour que ngay insérer quelque part D'où pour que ngay ñu nous L'éducation est tellement importante, comme disait Mandela. L'arme le plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais quelle éducation parle-t-il Souvent, ben étude américaine de Harvard University, on a appelé les Africains, surtout les Africains Nous poser une question sur leur histoire. Parlez-nous de l'histoire. Tous les Africains, tout ce qu'ils disent, bon, guerre froide, Socrate, mais on le dit, arrête, enfin, vous êtes français, européen ou africain. Donc, il faut qu'on apprenne des choses qui, qui vont nous servir à l'instantané. C'est-à-dire que, d'accord avec euh, li nga jógee di wax sànq nii euh, c'est très important ñun jeunes yi yeneen saay euh, dañuy jël suñu téléphone yi mooy loolu duñ duñ ci mun a def ay yoo xamante ne bëgg nañ ko tout ça ce des futilités yàlla excusez-moi du terme tout ça mais on voit qu'avec Moussa Seck tout est possible suñu téléphones yi mun nañ ci gagner notre vie mun nañ ci def lu nekk voilà c'est possible c'est vraiment vraiment possible ñu ngi leen di wax tamit mbokk yi ngeen abonné suñu suñu page bi ñu ngi tudd Sam TV Euh, ngeen abonné ngeen di partager aussi vidéo yi parce que lepp lu ñuy def guddeeg c'est pour vous pour vous. la êtes tax ñuy sonn guddeeg là nelaw ñu euh, moi j'ai fait une semaine ou deux semaines pour préparer cette émission là voilà Euh, tout ça léegi euh, ñu ngi leen di naan daal ngeen bu su que ngeen abonné wu ñu ngi leen di naan euh, ñu ngi fii dalal ba léegi monsieur Seck monsieur Seck li nga wax sa intervention c'est c'est vraiment motivant léegi yéen est-ce que yéen entrepreneurs yi yeneen saay bu dool yan yan problème ngeen di rencontrer si seen entreprise yi yeneen saay da ngay dégg ñeneen ñi seen financement bi wala seen autant pour moi gestion bi c'est mal fait de quelques deux ou trois trois ans ñu dégg entreprise bi tombé na en faillite yene yene est-ce que ngi taxaw ci jéego yo yoy pour pour cette entreprise baña a euh, tombé si yeneen ay ñi ñuy tombé par exemple. c'est question bu am solo la parce que boo gisee souvent les Américains parce que quand je donne souvent euh, je parle de l'entrepreneuriat je prends toujours l'exemple sur les Américains parce que ñom ñoo gëna nek ay entrepreneurs entrepreneurs nee le échec fait partie de la processus de réussite donc quand tu es Si tu da nga africain yu bëri loolu mooy blocage dañu ragal échec dañu ragal perte bon et tu es entrepreneur tu es un leader quand il y a un problème il y a une solution à côté da nga tombé en faillite tu te relèves et la vie continue donc il y a tous les jours non boo defee faillite fof nga gëna a entrepreneur boo bo togué ne da nga def faillite fof nga nekkul entrepreneur mais boo nekkee entrepreneur bo defee faillite da ngay jogat tous les jours nga gis ay divorce non ñu koy waxee l'entrepreneuriat rime avec échec kon ku bëgg ku bëggul échec rek kon yow do nekk entrepreneur monsieur Seck continuer fof ku bëgg ku bañ échec do mëna a nekk entrepreneur parce que mëno bañ a échouer dans la vie donc tous les jours vous les filles vous voyez tous les jours des divorces non mais est-ce que ça vous empêchera de se marier D'autres ne vont pas se marier. <laughs> Non. mais chaque jour y a ay divorce mais n'empêche que tous les jours il y ñoo des donc pour vous dire que l'échec fait partie de la processus de réussite da ngay tombé nga marché moi je lis le la biographie de Bill Gates il dit que moi je n'ai jamais créé une entreprise quand tout le monde parle de Microsoft moi je n'ai pas créé Microsoft j'ai créé j'ai testé des business jusqu'à ça marche. Mais bon marché, comme la réussite est beaucoup plus importante que l'échec, une fois que vous réussissez, c'est échec vous koy faté. Et quand tu es un leader, day am ñu top si vous Donc suñu daano yow ya wara ñëk juk ñooñu pour motiver Mais vous na ñoo xamantene sax dañuy ragal parce que soo xoolee ñu bëri li les africains sont là,

pourquoi pour vous dire que nous avons tout ce qu'il nous faut juste que rek dañuy ragal suer. voilà est-ce que ce ma cette mentalité c'est-à-dire que cette pensée négative c'est ce que nous dindi eh, mentalité mais comme ni ñu koy waxee rek boo daane amal fullaat jógatuwaat sa bopp nga jug comme ni ñu koy waxee ñun ñun ñëpp ay je pense que bu ñu bu def dara te ñu am amour bi euh, te ñu am amour bi mën nañ ko def loolu maa ngi leen koy conseiller monsieur Seck euh, yéen tey gii gis nañ euh, Sénégal bien vrai que euh, l'entrepreneuriat yagna dans le monde ça a tellement duré mais Sénégal dafa melni ce sont ces deux dernières années là le Sénégal di wax tellement sur l'entrepreneuriat entrepreneuriat yéen ndaxte est-ce que am ngeen association yoo xamante ne vous ne euh, da ngeen def sen rencontre euh, entre entrepreneurs yéen yep entrepreneur yi nekk si dëkk bi yëpp est-ce da ngeen def ay rencontre wala est-ce que am ngeen association boo xamante ne euh, yéen ñëpp xamante ngeen parce que am na entrepreneur yoo xamante boo nee monsieur Seck xamuñu sax monsieur Seck est-ce xam il n'est pas temps de regrouper une association voilà bu fekkee ne am ngeen ko tamit mu association bi naka naka tamit. plusieurs associations regroupement des entrepreneurs exemple je suis le président du club des jeunes entrepreneurs du Sénégal et j'espère que suñu amee. des jeunes là est-ce que vous avez des def investissement xam entrepreneur yëpp je fais le maximum je ne peux pas dire que ne voilà demain xam ñëpp fu ñu mais pour prouver je pense que suñu y dafa am entrepreneur bon invité mu suggéré la Monsieur Seck ah? donc ça prouve que les entrepreneur sont le 5 janvier on sommes à dem Abidjan après Abidjan en février on sommes à dem Togo actuellement bu la euh, situation de bi en gënul euh, amplifié wu ba arrêté euh, frontières et tout c'est déjà programmé et loolu c'est des rencontres avec des entrepreneurs. Et ici au Sénégal aussi, il y a plusieurs rencontres. Nous avons un bureau, n'est-ce pas Chaque instant, nous avons Moi, mon bureau personnel, c'est pour les entrepreneurs. C'est recevoir minimum une dizaine de personnes par jour. Donc ça, pour discuter, essayer de voir qu'est-ce que je peux apporter. Je donne de l'argent. Je n'ai pas de l'argent à donner. Et même un entrepreneur ne donne pas de l'argent. Mais on préfère de vous conseiller, on préfère de savoir quels sont vos blocages. essayez de vous dire, ah, il y a un an de cela, filatol blocage bi éviter comme ni comme ni comme ni pour nous avancer donc je pense que entrepreneuriat et bu ñu wax né entrepreneuriat d'ici deux souvent damay dégg ñen ñi di wax deux dernières années yi dafa amplifier au Sénégal non c'est cette virus entrepreneurial doit être propagé un peu partout Sénégal du Dakar kese wax nga ko sank yaa ngi wax Sédhiou Tamba Kaolack ñëpp bu ñu États-Unis sous développé man récemment amna ben français bu ñu ñëwoon seet si si séminaire bu ñu doon organisé bi ñu parce que amna bureau HLM comme je liggéey souvent ak commune bi comme nous nga je préfère ñu dem nuyu ji le maire bi ma ko waxee ñu dem nuyu ji monsieur le maire Babacar Seck daf ne ma autorité ou bien politicien nga pourquoi mu ma j'habite à Nice plus de 40 ans je musuma xam turu maire bi pour vous dire que su nous sommes ay entrepreneur on a plus besoin Macky Sall ñëw fii du ñu wax des conneries quand Macky Sall arrive ici pour faire son job ñun ñu def suñu liggéey donc suñu nekkee di bàyyi xel Macky Sall rek parce que quand tu pointes le doigt à quelqu'un c'est parce que yow da nga faté sa bop transport commun bi dafa metti Macky Sall liggéeyul faire de telle sorte que demain ou après demi nga am sa propre véhicule dëkk bi dafa salté défel ba sa buntu kër li la sa entour li la entouré yépp mu set donc bu défé amé esprit bobu ñun ñëpp kenn dootul am problème kenn dootul am problème donc personnellement suis juste pour motiver les jeunes bi nga ma je pense que la dernière fois di ma wax dama bëgg a ñëw bureau ban bis moo fay ñëw lan laa la wax je ne connais pas parce que du ma jël bis loolu laa la wax non ça ne veut pas dire que demain ils estimé estimer ou le bis, mais c'est pour motiver. Quand je fais mes formations, je dis souvent des mots qui ont un peu des mais surtout pour booster la personne. Euh, bien vrai que euh, comme je fais l'émission sur l'entrepreneuriat, entrepreneur libre. mais pourquoi vous, euh, souvent les, les, les mots que, sortent les entrepreneurs, souvent c'est choquant pour nous, nous, nous, les citoyens de lambda. Là. Et ça, je parle avec certains entrepreneurs, ils utilisent un mots c'est tellement bien vrai que c'est pour motiver je suis d'accord pourquoi vous aimez sortir ces mots-là. Euh, eh, de ça je fais un coucou à Ousmane Thiam yow message bi comme ko moom à chaque fois su may wax ak ay ce n'est pas une question d'arrogance ou quelque chose comme ça mais c'est naturel man bi la c'est vrai. c'est vrai Liberté 6 laay liggéey depuis plus de un an sama bureau fa la nekk musuma jël bis nii car bu fay dem c'est la vérité samay propre frère dama leen di wax ne la euh, mais j'ai quitté fi ngeen nekk ñi nga xamante ni dañ jàpp ne ñoom foofu la ñu war a dëkk éternellement fa la ñu nekkoon moi je commencé par vendre des sachets plastiques je vends des journaux ici rond-point Case ba c'est pas loin mettre ici des journaux courir pour gagner 20 francs sur chaque journal donc c'est un processus mais quand vous êtes sur ce, niveau-là, il faut avoir une vision. C'est très important de lire la magie de voir grand. Donc, il qui faut limiter ou moi faut limiter Je dis à mes propres frères, yeen xamna lu len arranger. Je vais fauteuil yi nek ci salle bi. vais changer jëndal len gandi télévision jox len commande defal len connexion 8h 20h parce que vous voulez rester pauvre éternellement on n'a pas le temps de passer tout notre temps à regarder la, télé. On n'a pas le temps de rester à la maison, de connecter sur TikTok 24 heures sur 24. Donc, si on a dans la vie, le tu décides de sortir dans tes... Si vous faites une publicité, je fais euh, comment il s'appelle, mes formations souvent. Quand je dis une formation, 25 000, il y a des gens qui vont dire que voilà, moi, je vais m'inscrire. Il y a énormément de personnes qui vont dire, je cher. Ces personnes-là, même si c'était 1000 francs, ils vont vous dire c'est cher. Donc, tout ça, c'est une question de mindset. Donc, Mota, souvent les entrepreneurs disent certains mots, pas pour être arrogant, mais pour vous dire, pour vous pousser vous aussi, de dire que qui l'oumi def ni Donald Trump est-ce que vous avez pourquoi mu pour être président de la République parce que Barack Obama Moko humilié humilier une euh, conférence internationale le monde entier est là il mu koy de de façon bon à actuellement il est temps parce que nekul ay milliards mais il faut que ma nek fumu pour mu xamné ne mën donc dans la vie le lu Moussa Seck di def le lu désir di def lepp lu Fatou di def x y personne ne nañ ko def il suffit que da nga limiter sa pour ci li ngay def ou bien nga am ay ambition dem au-delà de vos limites parce que tout le monde doit dire que je mérite plus que ce que j'ai aujourd'hui je mérite plus quand vous gagnez un million aujourd'hui dites-toi que vous méritez plus si vous gagnez 2 millions, dites-vous que vous méritez plus. Vous faites une euh, émission en entrepreneuriat. À chaque fois que vous terminez votre émission, regardez, regardez et dites que je mérite de faire mieux. Souvent, ils vont augmenter. Regardez les erreurs. Envoyez certaines personnes. Ah, c'est ça la vie. On apprend tous les jours. Les entrepreneurs, souvent, souvent on peut leur dire qu'ils sont arrogants, mais ils sont humbles parce que ils disent qu'ils euh, cette euh, citation de Socrate, je pense que c'est pour les entrepreneurs. Tout ce que c'est, c'est que c'est sérieux. Tous les jours, on apprend. Avant-hier, moi, j'ai acheté des livres à 45 000. J'ai taquiné mes sœurs et mes frères pour leur dire que vous, vous êtes diplômés, vous avez votre doctorat, votre master, mais je suis sûr et certain que ce que j'ai investi dans mon éducation, durant tout votre cursus, vous ne l'avez pas fait. J'ai acheté une formation à 650 000 pour faire le trading. J'achète des livres. Dans mon bureau, il y a une bibliothèque. Je pense que si vous allez chez Keita, vous allez là-bas, vous avez vu une bibliothèque. Tous mes bureaux, il y a une bibliothèque. Je passe toute la nuit à lire c'est bien noté je pense que Mboki comme monsieur monsieur limites, nous ko am limite am limite euh, def euh, limites, lu def euh, ñu def je vois que l'émission commence à tirer à sa fin nous ngi nuyu technicien bi ñu DG Sam TV nous sommes sama xarit di nuyu suñu maquilleuse bi Abatou tout bonhomme aida Aïda di leen bonne guérison mangi profite euh, du du du souhaiter joyeux anniversaire à Mohamed à Aziz à Kadia Kouyaté ñoom ñëpp maa ngi di souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire autant pour moi monsieur Seck ñu bàyyi la sa de la fin balaa ñuy tëj émission bi. bon maa ngi lay remercier ci invitation bi. di lay mm. remercier ci initiative bi mm. c'est très mm. important. il faut que cette puisse entrepreneuriat soit accompagné pour que entrepreneuriat rek la ñuy wax. commencé nañu sax lépp entreprendre et remercier équipe bi yëpp. ñu ngi àndal liggéey yi. techniciens administratifs bi tout tout tout parce que euh, euh, comme nga ko waxee ci début bi initiative bi ñu war a encourager la je pense que les autorités aussi ñu leen accompagner. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. oui oui voilà. qui peut vous permettre c'est ça c'est ça c'est ça voilà futur entrepreneur yi comme ni nga ko waxee dafa bind livre boo xamante ne euh, pour ñëpp ñu bëgg entreprendre mun nañ koo dem jënd c'est pas aussi cher ngeen dem lire ko afin d'entreprendre di leen wax ne euh, suñu émission nag fii la euh, mi ngi mi ngi jeex na waaw merci c'est gentil merci beaucoup c'est vraiment gentil gis ngeen may na ma benn livre livre baa ngi nii mi ngi nii monsieur Seck moo ko bind voilà technicien bi jël na ko voilà abou jël jëlal livre bu baax voilà euh, di leen jox nag dig daje ba si yeneen émission di leen wax ni Sam entrepreneuriat na pour yéen la dans Sam TV gaynde l' actualité ñun émission bi c' est pour vous les jeunes ne ñu am confiance ñun lépp lu ñuy def ñu def suñu full ak fayda euh, yàlla dinañu jàppale di leen jox nag dig daje si beneen émission incha allah di leen na ngeen kal ko le dimanche incha allah lañ koy def merci beaucoup chaque dimanche ngeen kal ko je vous remercie